Monsieur le représentant de la directrice de l'enseignement élémentaire, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les IF, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Messieurs les directeurs du CRFPE, Messieurs les inspecteurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves. Je prends aujourd'hui la parole pour parler un peu de l'aspect pédagogique de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Cette séance à laquelle nous allons assister tout à l'heure, communément appelée Yundokai, par-delà son caractère ludique, revêt une importance capitale dans le développement intégral de l'enfant. Je le disais tantôt, le Yundokai a des fonctions sociales très importantes dans le développement de l'enfant. En ce qu'elle permet, en ce qu'il permet, le Yundokai, de raffermir la personnalité de l'enfant, de développer l'esprit de fair play, l'esprit d'équipe, la coopération, etc., etc. Autant de valeurs aujourd'hui qui exigent le développement de la personnalité de l'enfant. Donc, vous allez découvrir qu'au-delà même de cet aspect ludique, il y a des fonctions sociales qui sont inculquées aux enfants à travers cette séance de Yundokai. Donc, euh, je vous invite euh, beaucoup à porter un intérêt particulier à cette euh, séance de Yundokai. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la DE, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le directeur du CRFPE, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, de Thiès-Département, euh, Monsieur les inspecteurs, Monsieur les volontaires japonais, Monsieur les enseignants et enseignantes de Thiès-Ville et du département et même du, des autres régions, Monsieur le SG de Thiès chers invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un très grand plaisir que nous vous recevons ce matin dans la circonscription de thiès et précisément à l'école élémentaire El Haj Amadou Mokhtar La présente cérémonie que j'assimilerai à une fête des élèves par le trichement de Undekai est une autre manière assez attractive et motivante d'enseigner l'éducation physique et sportive à l'école. Il faut préciser que l'année dernière, dans cette même école, Sambatine Yamamoto vous en a donné le privilège à la découverte. Mais à un niveau stratégique, il faut considérer que la JICA figure la coopération dynamique entre le Sénégal, notre pays et le Japon. En effet, elle intervient dans tous les secteurs, parmi lesquels nous avons l'éducation et la formation des enseignants. C'est dans ce cadre donc s'inscrit cette activité autour d'un module apprentissage de par l'expérience concrète, à travers donc le partage de bonnes pratiques pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Au sortir donc de toutes ces activités, nous veillerons particulièrement à ce que les enseignements majeurs soit largement partagée dans toutes les écoles de la circonscription et voire dans toutes les 14 régions donc, du Sénégal. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier donc tous les volontaires japonais, tous les enseignants, les inspecteurs, donc toutes les personnes pour l'accompagnement, pour la réussite donc de cette manifestation. Remercier les inspecteurs, le directeur du CRPE, les représentants donc de la DE, la JICA, donc tout le monde. Merci et que vive la coopération sénégalaise Nous avons pu mesurer ici à l'école même l'impact de Undertaï sur les enseignements apprentissages et partant sur les résultats scolaires. Nous ne saurions terminer sans remercier vivement les volontaires de la JICA et les autorités de la JICA pour leur apport inestimable à la formation de nos enfants. Nos remerciements vont enfin à l'endroit des enseignants de cette école et des autorités scolaires de la ville qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Vive la coopération entre le Sénégal et le Japon. Que la fête soit belle. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Messieurs, Mesdames, chers invités, euh, avant tout, je vais demander une excuse parce que c'est Pablo Bassi qui devait être là. Euh, la directrice aussi, de même, mais avec le retard, je ne sais pas qu'est-ce qui les a retenus. Je sais que la directrice, elle est au niveau de Mour. Elle devait quitter là-bas pour venir ici parce que nous avons un team building. Mais elle porte un très grand intérêt parce que c'est hier soir quand je suis venu, euh, elle m'avait demandé de tout faire pour que nous soyons là. Peut-être que c'est des empêchements de dernière minute qui l'ont empêché d'être là. Mais sachez que c'est un très grand intérêt qu'elle porte, surtout sur la coopération Japon-Sénégal, c'est une coopération qui est très fructueuse et qui nous permet quand même de développer davantage tout ce qui est enseignement-apprentissage au moment où nous sommes en train de chercher la qualité dans le système éducatif sénégalais. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, ce que le volontariat japonais est en train de faire ici est une excellente chose parce qu'un enfant être préparé physiquement, intellectuellement pour être performant au niveau de ces apprentissages que nous donnons au niveau des classes. Et nous savons aussi que tous ces, toutes ces activités ludiques permettent de développer et de faire éclore l'ensemble des aptitudes de l'enfant. Et que par conséquent, elle souhaite un plein succès à ces gîtes que vous êtes en train d'organiser ici en un mot l'atelier de partage, parce qu'à chaque fois, les Japonais, ils ont cette habitude. Quand ils font, ils essayent de partager pour que d'autres puissent en bénéficier et s'en servir. Donc nous remercions davantage la République du Japon et l'ensemble des invités qui sont là. Encore une fois plus, merci et bon succès. l'éducation et la formation ak le docteur du CRFPE ak euh, ISTS département Fait fi nag euh, suñu Natango, inspecteur, yi jóge ci euh, Sénégal yëpp ak volontaire coopération japonaise ci activité bi nga xam ne moom la ñuy undokai comme nous l'avons ko waxee nekk activité sportive boo xam ne dafa am solo trop ci s'en réew ñu ne nag dañuy ñëw partagé kook ñun fii ci Sénégal xam nga léegi dañuy Nous avons partage de connaissances yi tubaab partagé xam-xam dafa am solo trop xam-xam léegi nekkatul rek li nekk ci téere yi waaye li nga xam ne dañ koy partagé undokaay euh, nekk euh, sport boo xam ne dafay boole xale yi xool bi yëpp euh, ci ay compétition ci ay jongante yoo xam ne ci discipline yu bëree baree bari yoo xam ne day tax xale bi am gu yaram parce que ku wax wër gu yaram bu wax xale boo xam ne dama mën a jàng bu baax waaye tamit day tax ñu développé ay jikko yu baax ci xale yi ci jikko yooyu jom dina ci bokk kersa dina ci bokk waaye xam sa bopp tamit dina ci bokk bëgg doomu aadama tamit dana ci bokk te loolu eh, dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop ci réew am solo trop ci àdduna bi dina tax xale yi bu ñu jógee fii suñu dañuy mën a bokk ci nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom ñooy liggéey pour fexe suñ koom koom-koomu réew gën a jëm ci kanam may wax ne di maa ngi ñaan rek jàngalekat yi eh, ñu jël undokaay fexé ba dugal ko ci école yi fexé ba sport éducation physique nekk lu am solo ci école yi parce que éducation physique dafa am solo trop ci njàngum xale euh, loolu moo waral sax ren euh, li ñuy wax euh, sport scolaire maanaam éducation kii sport ci ci école yi dañ ko suqali am na ñaari at ci ginnaaw ba tax na daaw ñu organiser jongante yi nga xam ne ci ci région bi la ñu organiser woon ko ci Mbour ministre éducation nationale ñëw présider ko am ci mbégte lool ba tax euh, moom ak son excellence le président Macky Sall ñu tànn région Thiès ñu ne fii la ñuy organiser festival national du sport scolaire fii ci Thiès loolu nag di am mbégte ci région Thiès ndax wax dëgg yàlla ku xam Thiès xam ne seen taxawaay dafa rafet ci waa fànn yëpp waaye ci fànn sport surtout euh, donc may ñaan ñëpp ñu taxaw ci inspecteur éducation de la formation euh, les chefs de service rattachés les proviseurs les chefs d'établissement les élèves euh, le chef de service du sport gouverneur mi ngi taxaw taxaw bu rafet ak préfet yi ba nga xam ne wax dëgg yàlla nekk mu nekk ndam ndax li ñu tànnee euh, ñu bus buñ ci paree ñu mën a wax ne kat Thiès euh, lañ ko tànnee woon wax dëgg yàlla gis nañ ko ci. loolu dina laaj ay moyens yu ndax plus de 2000 festivaliers ñoo fi war a ñëw est-ce que am ngeen budget bi ni toll. waaw am naa yaakaar daañu ko am am na ci yaakaar bu baax a baax euh, en tout cas li ñu wax daal li ñu wax fi fi mu toll nii jàpp nañ ne bu soobee yàlla dinañ ko organiser ba mucc ay bu soobee yàlla. c'est vers la fin du mois de mars. c'est du. Voilà. Euh, euh, euh, Lia, inspecteur Baba vous venez donc d'assister à la cérémonie Undokai qui marque donc l'une des, qui fait partie de l'une des activités de l'atelier partage sur l'expérience qui regroupe le, système éducatif sénégalais et les volontaires du Japon. quelle importance revêt donc le Undokai Merci. comme vous le savez bien, la coopération japonaise intervient par le biais du ministère de l'Éducation nationale à travers la DE, e, intervient dans le système éducatif au niveau des académies pour appuyer les enseignants sur le plan pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes euh, dans cette école pour assister à la cérémonie Undokai organisée par les volontaires japonais. Comme vous le savez bien, le Undokai est une activité sportive euh, qui regroupe tous les élèves de, l'école à travers des compétitions. Euh, comme vous le savez bien aussi, l'éducation physique euh, participe au développement, comme je l'ai dit, physique et physiologique de l'enfant, mais surtout le développement des valeurs, n'est-ce pas, cardinales, nos valeurs cardinales. L'endurance, euh, n'est-ce pas, la persévérance, la discipline, le courage, mais surtout le respect des règles, des règles sociétales, qui sont sans elles, notamment on ne peut pas parler de communauté. Euh, c'est pourquoi je voudrais remercier euh, vivement la euh, coopération japonaise qui nous appuie dans ce cadre, mais également le directeur de l'école et tous les acteurs, les inspecteurs d'éducation et de la formation qui ont effectué le déplacement les inspecteurs, les enseignants, tous les acteurs qui ont effectué le déplacement pour participer à cette activité. Vous avez vu, les enfants nous ont montré véritablement qu'avec le sport, nous pouvons promouvoir, comme j'ai dit, des valeurs qui leur permettront de participer au développement durable. Voilà, euh, c'est l'occasion aussi peut-être de revenir sur euh, euh, le, retour donc du du sport dans les écoles. Thiès s'apprête à abriter une grande manifestation concernant donc cette activité. Plus de 2000 festivaliers sont attendus. que, répondez-vous à ça Effectivement, et nous nous en réjouissons. Vous savez, il y a de cela deux ans, nous avons travaillé à la relance du sport scolaire et nous avons réussi véritablement à le faire surtout au niveau de l'Académie de Thiès, euh, avec l'année dernière euh, l'organisation des phases finales régionales qui avait été présidée par le ministère de l'Éducation nationale et qui avait été un succès, un franc succès, euh, succès qui nous a valu le choix de l'organisation du festival national au niveau de la région de Thiès. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a choisi la région de Thiès pour abriter ce festival ô combien important qui va regrouper toutes les régions, n'est-ce pas, qui vont venir pendant euh, une semaine euh, travailler, n'est-ce pas, euh, à travers le, sport scolaire pour promouvoir non seulement le sport, mais les valeurs que nous voulons développer chez nos enfants.